Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du ministre des collectivités territoriales, euh, du maire de la commune, euh, de l'adjoint au gouverneur et du préfet, sous-préfet, pour venir effectivement voir l'état de l'établissement. Euh, ce que nous avons vu nous rassure, puisque tous les dispositifs en place, vous avez vu à l'entrée déjà les lave le thermoflash à l'entrée était là pour nous accueillir, le lavage des mains a été fait et nous avons visité les salles de classe qui sont en train d'être nettoyées. Le proviseur l'a dit tout à l'heure, tous les établissements de Dakar ont été désinfectés par la ville de Dakar, aussi bien les lycées et les collèges qui dépendent de nous. Donc ce travail a déjà été fait et ce qui reste, c'est de continuer l'accompagnement. Nous avons amené des produits sanitaires et s'il y a lieu d'en <laughs> ajouter, nous le ferons. Nous le ferons aussi bien pour le public que pour certaines écoles privées, parce que nous ne pouvons pas faire pour tout le monde. Il ne faut pas annoncer des choses qui après ne seront pas faites. Donc nous allons aussi accompagner les écoles privées et s'il le faut même les écoles primaires. Alors vraiment ce que j'ai vu me rassure et je pense que les enfants, s'ils respectent le protocole sanitaire, normalement nous n'aurons aucun problème. Et il faut que les élèves reviennent à l'école. Les élèves ont des examens à passer, il faut les faire ces examens. On l'a dit, nous devons apprendre à vivre avec le, virus. Nous ne pouvons pas rester éternellement à la maison. Ce n'est pas possible. Nos réalités sont différentes de ce que les autres vivent dans d'autres pays. Nous sommes appelés à sortir. Nos enfants doivent continuer à aller à l'école pour passer leurs examens. Et je pense que nous mettrons tout ce qu'il faut pour que ces enfants soient dans d'excellentes conditions pour finir euh, leurs études et passer les examens dans d'excellentes conditions. Oui, le dispositif est, complet. Nous avons reçu un dispositif de 16 lavoirs, reçu euh, des mains de la ville de Dakar et des anciennes élèves du lycée Kennedy. Euh, nous avons aussi reçu du gel hydroalcoolique, donc des 4 cartons de la ville de Dakar et 500 autres flacons. Donc, euh, le, euh, nous avons reçu le gel du gel nettoyant, un total de 20 cartons de la ville et des partenaires. Nous avons aussi reçu des cartons de savon, donc euh, autour de 15 cartons de savon de la ville de Dakar et des anciennes élèves et du ministère aussi de l'hygiène publique et de, l'urbanisme et de l'hygiène publique. Donc nous avons, laissez-moi terminer, euh, un élément important du dispositif, donc 10 thermoflages que nous avons reçus qui vont nous permettre vraiment de euh, pouvoir prendre la température de, toutes les personnes qui vont entrer dans le lycée. Les mmh. classes ont été désinfectées, nous sommes en train de nettoyer, nous nettoyons chaque jour parce que chaque jour il, il faut passer et repasser. Donc depuis lors notre personnel est à pied d'œuvre pour maintenir l'établissement propre et accueillir les élèves dans, de bonnes conditions. Nous allons continuer à le faire. Nous avons maintenu notre personnel de service qui est là, qui est un groupe assez euh, euh, nombreux pour pouvoir euh, vraiment gérer ce côté sanitaire. Nous d'Alna, parce que visiter nañu ci buntu bi gis lavage des mains nous avons une salle de classe nous itam gis nañu organisation bi fi Nous aussi thermoflash di gërëm aussi ñi ko fi indi ci turu association des parents d'élèves yëpp di ko tàmbalee ci proviseur bi moom mii kilifa kër gi ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax booba léegi noppaluwul mu ngi daw guddi ak bëccëg di gërëm itam monsieur le ministre Oumar Gueye mi nga xamante ni mu ngi fi teew ak madame la maire moom itam mu ngi ci biir ñu ngi leen di gërëm di leen sant ah di ñaan yàlla aussi mbas mi nga xamante ni yàlla teg na ko ci suñu kaw yal na nu ko yàlla teggil ñu mën a sauver année scolaire bi suñu doom yi jàng ak jàmm am seen diplôme génn ak jàmm waaw dal na suñu xel parce que gis na ni jël nañu matuwaay yu ñu waroon a jël yëpp li ci des nag ñu bàyyi ko ci loxo sunu borom parce que nit soo tàllalee sa loxo ñaan sa borom li ci des suñu borom moo ko yore lu nu man rek sabab lu nan ko wax dëgg yàlla suñu xel dal na